Tout bas meublement, nous vendons ce que nous fabriquons, nous fabriquons ce que nous vendons. Au de Hôtel Dakar, le chic en toute simplicité. Rendez-vous les 27 et 28 avril à Thiès pour le 38e week-end des femmes avec comme thème Le Seigneur répond sa miséricorde sur son peuple. Et eh, nous

Tolina, M60, Maktoum, Masiri, Noblesse, Minawa, Harlem City, Kalmiz, Koulibalifan Fatelikou. xam ya katima jugee fu sori yaakaar jiital ma may ma run to him. yaay bu ma laajte fan nga nekkoon. waaye wat sa sol gu bon gi nga sol pour lan la. pour la loolu yaay fan nga nekkoon laa wax. mais yow xanaa waxuma la woon damaa dem hôpital. hôpital nekkoo woon benn hôpital am na ku la gis ngay génn kër Daouda. Hmm. Mathieu danga maa topp. topp ma la de yaay je te fais très bien confiance mais yaay que tu te permets d'être aussi légère dans la rue. eh xoolal du ma sa morom ah. imbécile yow yaa ngi taxaw fii di ma yuuxu man gis nga fu may dem ak fu dul dem loolu sa yoon nekku ci ngi dégg. man sa la boko boo ko fàttee ma fàttali la ko. yaay yaa ma jur de waaye joxoo ma respect bi ci war yaay nan ngay demee di fekk ji ay man xàmmeetuma la de. Mati Diagne fu ma neex dem fekki ko tant que yéen a ngi bañ mu ñëw ci kër gi fu ma woo ma ko. à ton âge yaay nga rus di def yenn suñu kanam te xam ñun sa ay nawle lañ. Mati dul, dul. yow yaay taxaw fii man yow di ma xut ba man. yow war ngaa wax yow mi nga xamante ni dangaa taxawaalu ci mbedd mi ba sa ndoxu yaram bi jeex tàkk. yaay man lu ma saf laay def te amoo pour ubbi sa làmmiñ di ci wax quoi que ce soit dégg nga waruma duñu bànneex seen bàyyi abandonné ma ma boole li ma neex ak li ma naqar yépp toog téye leen pendant léegi su ma gisee ku fomb samay rangoñ dama koy sàggane. yow nekk ko sa jëkkër ngay dem di ko fekk ji këram. xanaa yow doo ma dégg fu ma neex laay dem fekki ko tànk yi ni ngi bañ mu ñëw fii fu ma woo mu baax na yaa ngi insister pour nekk ak moom li ngay gis ci biir dina la soof torop je te yow loolu nga bëgg waaye du mësa am man gis nga dama sonn li ma bëgg a xam mooy yow Mati Diagne lu bon lii nga sol ak fan nga jëm yow loolu laa bëgg xam. du nee nga lu la neex ngay def. man tamit léegi lu man saf lay def te doo ci mën dara. étudiant bi dañ koo changé wala lan waaw man lii fan laa koy waxee ay man. Hey, eh, salut Qu'est-ce qui te prend de faire éruption comme ça chez moi Nous sommes neex laay duggee sa pire cœur..! Laisse-nous là. Tu n'as rien à me reprocher. Pas à li De quoi tu parles? Et puis je veux que tu baisses le ton, tout de suite. Sinon quoi Malamine? Tu as may comme ni nga fait Ou defee wala ak ni nga bëggee woon rey sama doom. Mais yow yow fait Tu es devenu complètement fou Salim. dara Tu as provoqué accident bi reste à mon dom Ce n'est pas vraiment ce que tu crois, Salou. Tu te trompes si tu penses que je l'ai prémédité. Il était là juste au mauvais moment. Démoliment. ma may mauvais moment assassin bon Tu crois être mieux que moi. Tu crois qu'en étant au fond de ton bureau là-bas, tu es mieux que nous. Salut, yo, man et toutes les personnes qui sont dans le cercle, ben le nous sommes tous des assassins Appelez pour le bon Lokhalat. et tu devrais me remercier parce que mon pas baissé d'homme. d'homme mais je préférais me salir les mains pervertir des gens juste pour sauver ta fille grand ça va Ouais, cool ni.

waaw jox ma sa numéro après ñu neexal ko. loolu du benn problème grand seen toilette yi fan la nekk damaa saf saw na seddaay bi. xoolal da ngay jël nii sa droite après à ta gauche. merci. ok. xale bi moom mool na de yàlla mën a bind. kii de xam lu may def. dama koy jël di si ndellu saa su ne di ko tël saa su ne. yeah. Ya. Je suis recteur mais je ne pense pas que Dino régler le problème parce que là il le considère comme l'un des meilleurs professeurs de l'université. Et là tu as besoin de quoi pour régler ce cas? soxla naa une petite somme pour me Très bien. D'accord dès demain je m'y mets comme ça nous devons ko écarter ci chemin bien. alors tu as fait quoi de ta journée tey bah, rien de spécial Je suis allé au bureau après jóge fa dem kër ga pour préparer Pour pour je a gis la belle femme bi nekk à sama kanam. tu es sûr que tu as fait nga bien sûr dafa am leneen. non je pensais juste avec ton statut tu nga gën a occuper li. gis nga arrivé à un moment où man maa choisir sama bopp samay heure bon sauf sauf urgence tu me diras. d'accord. Mathie. oui. ma seetlu que que ne connais dara de qu'est-ce qu'il y a. du rek. je pense qu'il y a quelque chose d'autre. 근데 따라 léegi que ñuy va ok xaaral ma un message Mati ne ko me pose des questions à Daouda like la date de naissance ou bien des faits marquants comme ça au moins nous éviter. Mhm. code yu du bruit pour pas nous bloquer c'est une bonne idée. est-ce que tu lekk que sa plat de dessert oui mon colonel. c'est siggil xool matti ngir yàlla qu'est-ce qui se passe. C'est mon propre moo fees C'est mon propre fait fees raison de plus de partager avec moi. de la préoccuper alors dis-moi tout Là, là. c'est Ali la seconde épouse de mon père. Là, lu ko dal. dara dalu ko c'est juste que j'arrive pas à digérer euh, son histoire avec mon père là sama xel dafa xawa que sama papa parce que récemment j'ai découvert qu'elle couchait avec un ami de mon frère te nanguma may Je ak li xew yépp man damay bañ def dara bi wala ma sama xarit dafa ak euh, Mati je comprends très bien les gars. Mais mais problème est que na niveau boo Je ne régler taille, taille, taille. je t'ai fait venir ici pour que nous oublions ce problème changer d'air changer d'environnement d'accord d'accord Bonjour. mangeons ma ci pour amatu fait place. Tu savais très bien dans quoi tu te mettais en rejoignant le cercle. Et puis n'oublie pas que yow moom qui a dundal sa njaboot. Alors arrête l'hypocrisie. Et puis ce qui est fait est fait. Nous sommes tous dans le même bateau. dis-moi. yow man xaw ma dara si je ne connais même pas la date de ton anniversaire. mais lu ma xaw dit que jékki nii rek tey nga mel laaj lool bi ñu xamante ba tey. dara j'ai juste fait la remarque mais après si tu veux pas me dire c'est pas grave hein. non mais je je te toi aussi. alors moi je suis né le 31 février. barki démb sax ça gént dina tukki jour 31 février ma gis Brésil ak Guinée Bissau moom la daal ñëk njëkk a waaw toj ko ni ba mu nekk poussière mais troisième dëkk bi la dama ko fàtte. Daouda sa date d'anniversaire la laaj. 27 février ma ci yokkoon juste rek quelques jours. lii rek mënoo ko woon wax sànq ba tey et ta famille ta mère ton père je sais pas moi. Ma mère est en vacances. Elle fait quelques pays avant de venir au Sénégal. Elle a quel âge Elle n'a pas 100 ans. Longue Bokedek. Je sais pas, elle est née euh, en quel En 53. Genre, il y a quoi. Mais, excuse-moi, hein? c'est chiffre anniversaire Le dernier chiffre anniversaire e putain c'est bloqué quoi hmm? je viens de recevoir une notification laal sama coffre bi nek sama biir appartement. et qu'est-ce que tu vas faire da ngay dem légui ni non non j'appelle le gardien xaaral ma le gardien de l'immeuble. oui allô Khalil Khalil amna ñu nek sama appartement parce que sama coffre-fort amna ah, na ñu koy laal je je viens de recevoir une notification. d'accord ce qu'il faut faire mooy nga taxaw ci buntu immeuble bu kenn dugg bu kenn génn boucler na immeuble bi j'arrive c'est l'unanime ñu dégage. lu apparemment à cause des codes qu'on a forcés là dafa jot alerte. Ça lay. on y va. une dame de fer dure comme toi mais pas la gis mel j'ai une très longue histoire je ne la sonal et puis ça, et y ça lui voilà la bande que je connais les discutons entre collègues. je suis perdue li ñuy defloo xale yu jigéen yi ak li leen mën a dal lépp mu ngi bëgg diis si man <laughs> parce que yow danga ci am ay état d'âme bu dee danga may laajte après di ma reetaan jaru ko woon désolé xoolal ñi lu ñuy def ñoo ko seen bopp yow da nga jàppale rek te soo ko deful woon keneen def ko te kooku yow ni nga leen di protéger du ko ci fekk du ci sonal boppam. comme yow daal. <laughs> pourtant man am na ñu bëri ñu ma tane de damay sóob nii rek man kenn mësul dee samay loxo saa nag. dérapage am. Tu déras plus qu'autre chose, je pense. <laughs> Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg pour vos tenues de cérémonie, vos tenues de soirée et autres ou sur internet www.héritagecouture.net. Bienvenue chez Bamba Partenaire. By Modo HLM votre partenaire numéro 1 en cheveux naturels. 77 087 11 11. Rendez-vous les 27 et 28 avril à Thiès pour le 38e week-end des femmes avec comme thème Le Seigneur répond sa miséricorde sur son peuple. Eh, du poiton de xoolal xoolal lii mooy poiton. boo naa ne Ndiaye dafa mën a nettali Ndiaye fu mu toog day wax. man du ma tooñ de. li nga nekkee di nga ci génn par force. signé nga combat bu dul bëri nag yow. bombal bombal bombal bombal. Retrouvez votre série Made by Moussé chaque lundi et jeudi sur votre chaîne YouTube Marodi TV. J'ai entendu des pas, de ñëw doon hall après à ce même pas derrière. D'accord, mais avec lan lu anormal remarqué. dafa am benn xale bu ma demandé les toilettes. une fille nu mu mel mën nga ma ko décrire. dafa xaw a xees. xaw a gàtt na tuuti. d' accord est ce que mën nga jóg essaie de te lever. demal maa ngi ñëw dégg nga ah. ñu bàjjale ñu dara. bon yaakaaruma ah mais. Il n'ont rien touché, c'est Ah Lui, moi, est intéressé parce que lii fii la un coffre mais heureusement que j'ai eu l'ingéniosité d'installer un système d'alerte. comment ça. gis nga chiffres yi ngay qui sont yëpp c'est du leurre Pour tu composé une dix mille codes ben du jàll lii xam nga lan moo koy ubbi caabi ji moo et ce pendentif là je l'ai toujours avec moi Oui. est day Légui, coffre bi lan lu important ba rien d'important à part peut-être un documents de boulot mais assez confidentiel quand même euh, écoute donne-moi un téléphone je vais parler au gardien Quel la lay def fii. da ko le temps ngay je vous laisse. Band moytul kii. t'inquiète. ah. lan la Lala, mais du calme Zena la guerrière. Bana, une dernière chose C'est un professeur bi euh, monsieur Diop faut me rencontrer ko. yow laa doyee professeur. rien de bien méchant Hein? Ben business là, bëgg a tegal rek. y a pas de souci. lan moo tax nga bëggoon ma gis. mënatuma Linda. lan moo xewati Pane. je n'en peux plus. Lep. Binta. Rama. Saliou Sànq la jóge kër ga di xuloo ak professeur di la jul lépp li dal doomam kan moko ko wax Aïcha ils lui ont révélé la vérité wa mais mom la la wax si jamais daf ñuy jaay moy jeexal nañ Aïcha comme mom comme dof bu dul xalaat dina tax ñun nepp ñu ray ñu ben par ben comme ni ñu taxé ñu ray seexam

Aida maa ngi. Euh, yow rek laa doon xaar. bàyyi ma de yow. am problème en fait dama am benn deal moo bëggoon a dem. dil lan loolu. xam naa li ngay lijjanti bëriwul te fii dans l'université tout ce xam naa li fi nekkee d'ailleurs tout le monde ko la da am benn antécédent boo xamante ne man moom laa soxla. kan la. professeur Sow te yow rek yaa ngi ci mën jàppale. la nga bëgg ma def ko. li may laaj bariwul damaa bëgg nga charmer ko war nga sa ay feem mu iré la ci téléphone dafa am ay vidéo ak ay photo des étudiantes dama bëgg nga supprimer leen ndax mu arrêté di leen harceler comme ça ñu mën leen aider ci Famata yow tam voilà xanaa lii war na laa mën a motiver baax na bàyyi ko sama loxo super Allô. oui c'est bon ok c'est bon nous avons terminé n'oubliez pas de bien vous préparer pour votre prochain devoir Bonjour, professeur. Je vous écoute. J'ai des soucis avec le cours de l'autre jour. Ah bon hein Lequel ce soir. Tu déjà le chemin, non Mati. Khalil Khalil Kay. Mati lan la lu xew. Lo may c'est si Kay. lan nga may dawé no Mati man dawuma sa dëmm waxuma la nit lan laa lay dawee lu xew. sa doom. lan ban doom Mati. Mati danga ma jaawale de est que juumoo man ak doom. juumuma de sa diggante ak Ali. lan sa diggante xam nañ li si xewoon. dafa am loo xamante ne nag dof nga koy wax mu lay gëm. Ali nag daa yore benn bébé bëgg ñu loo ko ne sama pàppa moo ko jur te man loolu àdduna du yàgg ba ma gëm ko soo bëggee dégg-dëgg xale bi sa doom la. te su ma sañoon nga dem récupérer ji ko. Mati dans tout ça nga toog ba tey di ma xamal lii yëpp Mati Mati lan moo fi bees lan moo xew tegal ma lan moo xew ma xam lan la Mati. damaa bëggul xale bi màgg ci ay fen boo gëmul li ma lay wax nag c'est ton problème Ali dafa mën a fen te am na yoo xamante ne man dootuma ko cautionner je t'aurais Bonjour, jeune homme. Oui, professeur. Comment allez-vous Bien. Bananen d'Amobobegis pour affaire. Oui, c'est ça. Je suis... Euh, je connais même très bien. Tu sais, les mots ont petit de Kébibaro. Très bien. Quand Watan Bidou m'a mettre, je suis pour business avec Enfin, again. perds ton temps, jeune homme. Bana s'occupe très bien des filles. Je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin de tes services. pour les filles. Mais on a un business On a toujours besoin de personnes loyales et qui n'ont pas peur de se salir les mains quand il le faut. D'où quoi tu parles du salaire te du business bu ndaw mooy maye lii mais yow foo déggee loolu ak kan moo la ko wax man tamit lu may rëcc ci dëkk bi bëriwul lépp lu dox ci temps bi xam naa ko te tey mënoon naa la yóole mais sama arrangement du sa arrangement te xam ni war nañ ci mën a business ndax man tamit ma am ci kër yu mel nii lu yomb la je veux juste nga boole ma si je me chargerai de te trouver li nga soxla et ci suuf ñu continuer business jàgg yi ak bànn kenn du sip Comment ça bien me plaire, jeune Tu es intelligent. Merci. Merci. man sinon man jaara ak Rama dañuy ne t'inquiète pas de toute façon les détails documents en plus des registres médicaux ce sera assez suffisant pour daaneel kon yéen ci daaw tamit parce que je neexul jàppate. waaw deug la du yomb de. mais dinañ ko def quand même n'est-ce pas Mathi. Je suis si j'attends juste d'avoir la possibilité de le clé au coffre mais nga def sa mënin wala nga baye bam mu nga jël. loolu moy problème bi parce que pendentif bi du jugé ci kuwam. yaa ngi ak ay double clé am ma kay jox ma dem fa toi tu le fais sortir nga téye ko fa le plus longtemps possible bu ko defee dinañ jël coffre bi andi ko fi forcer ko. je pense qu'on n'a jamais été aussi proche du but ñu autre solution récupérer caabi coffre bi sans que nous yëg ko. c'est parfait. Linda On a profité professeur c'est réglé. kon dofoo. attendez attendez je pense que Amna était idée intéressante pour récupérer le pendentif. comment كاتما شو كيف صاري يا قاعد تلما ما يدخدي دم من يودان الماء ما يباقي جوك بنت يمها